Oui. On, doit bloquer. Si le président est à Bakel, nous, on ne va pas être à Bakel. C'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. Dites à vos supérieurs que Bougan sera à Bakel. on, est, on est à 14 km de Bakel. On est à 14 km de Bakel. on vient de nous demander d'arrêter le convoi parce que tout simplement, la hiérarchie leur a demandé de nous stopper. On ne sait pas encore le motif avancé. Ce qui est clair, c'est que nous, nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a les sinistrés qui sont à Bakel. Voilà, Bougane nee na mi ngi dem wax dëgg yàlla. Fapal la Bougane mi ngi dem Fapal la bloqué. Mais dans ce cas, arrêtez-nous. Arrêtez-nous. vous n'avez qu'à nous arrêter. Mais non, quand, quand, quand quand des Monsieur, Nous allons marcher sur le Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Si vous allez nous arrêter.

da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. arrêtez-nous arrêtez-nous da ngeen ñuy arrêté.

On a déjà dépassé ça. Cette situation est derrière, est derrière nous. Cette situation est derrière nous. Se, se subya soye deriye nou. Se li de la preklaga. Se subya soye deriye nou. Se subya soye deriye nou. C'est ça le pays, c'est ça ce que son corps, c'est ce que corps. Son combatants. Regardez, regardez, regardez-moi, regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. chef. Laissez-le. Laissez-le. Arrête de le brutaliser. c'est

Mais d'abord, il sera tout tá il tá tout tá il tá tout à il tá tout tá C'est bon, il tá tout à tudo Chef, mais chef, d'abord, mais qui Madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, No! No! No! Vous n'avez pas le droit. le droit. Vous n'avez pas le droit de Vous n'avez pas le droit de la

man tam Anta Babacar Ngom yow tamit nga fekkee li nga xamante ni moom moo di convoi bi ak arrestation Bougane Gueye Dany aujourd'hui lan moo ci sa sa première impression. alors li fi xew tey dafa ñaaw je pense que ñëpp fekkee nañ ko ndaxte comme ni ko Thierno Bocoum waxee ñun dañoo jug jàpp ne ci suñu wareef ñu dem jàppale suñu mbokk sénégalais nekk ay sinistré diggante euh, Podor diggante Matam ba war a dugg fii ci Bakel ñu egg si ba fii.

waxuñu lu ñaaw nekkuñu fi pour yee fitna au contraire démb rek lañ ko wax nous nous sommes une opposition responsable mais nous force dañoo bëgg de indi coono ak li li ñuy wax nous kaay leen ñu cooki ci loolu la bëgg a te lii c'est difficile parce que jàmm lañ bëgg ci Sénégal mais l'histoire retiendra que de façon très malheureuse ils sont en train de piétiner la démocratie de notre pays. Et on s'est battu, il n'y a même pas longtemps de cela, il y a sept mois, il y a huit mois, il y a un an de cela. On s'est battu pour dire les filles, loo ne démocratie de ne lu mel ni surtout excuse nous mu nous liñ ñu wax ñun nous parce que le président de la république mi Bakel ñun Bakel mais bu doon loolu président de la république Dakar la dëkk ñun ñi ngi dëkk ak donc nous xel mënut pas nangu la vraiment ñi ngi ñaawlu lii fi xew et nous espérons qu'ils vont revenir à la raison. Madame comptez-vous après l'interpellation de M. Mais nous ne pouvons rien faire d'autre à part nous rester ici et attendre, appeler les personnes qu'il faut appeler, essayer de les amener à la raison. Parce que on ne peut pas ne pas aller à Bakel sommes wuñu Dakar 4 heures du matin 900 kilomètres ñëw ba fii buntu Bakel à 14 kilomètres de Bakel ñu ne ñu doo dugg ñu dañu ñëw indaale suñuy denrée indaale loo xamante ni gars yi dañ ko soxla indaale ay eau de javel indaale ay saaku c'est-à-dire que dañu ñëw pour jàppale leen sommes ñëw pour nekk seen mais on se battra pour arriver quand même à à, à Bakel on ne peut pas retourner comme ça ils ont besoin de nous ils ont besoin de nous et ils doivent libérer Bougane Gueye parce qu'il n'a rien fait ça c'est de l'injustice encore une fois Donc voilà, vous avez donc entendu. Happy, happy. Amri, Por eso, por eso,